Le ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale à travers l'Agence de la couverture maladie universelle a lancé le 19 décembre dernier une campagne pour euh, atteindre et couvrir un million d'enfants et de femmes. Euh, nous avons pu voir des autorités comme euh, le ministre Ndour qui est notre ambassadeur, qui a déjà commencé à faire ce travail, à enrôler les élèves de son école primaire. Le ministre Mansour Faye également a pris l'engagement d'enrôler euh, les écoles primaires qu'il a eu à fréquenter lors de sa jeunesse, notamment à Kédougou, à Velingara et à Saint-Louis. C'est une dispersion qui est assez homogène et je crois que c'est une dispersion qui permet de sensibiliser les autres autorités politiques, notamment tous ceux qui ont des responsabilités, à venir se joindre à lui pour mener à bien ce programme important, ce programme novateur, ce programme qui est stratégique pour aller vers le Sénégal émergent, qui est la couverture maladie universelle, qui cible particulièrement, comme on l'a dit, les enfants, parce que c'est ça l'espoir de la nation, mais aussi les femmes sans lesquelles on ne peut pas fonder un foyer, on ne peut pas fonder une communauté. Donc c'est fort de cela que nous avons euh, décidé jusqu'au 28, décembre, 28 février euh, d'aller dans les villes, dans les villages, à la rencontre des acteurs. Toutes les bonnes volontés sont invitées à y participer. Et je crois que c'est assez salutaire. C'est une chaîne de solidarité que nous voulons magnifier. Nous savons que les Sénégalais sont connus par leur solidarité agissante. Mais là, on les appelle vers une solidarité qui va dans le sens de la prévoyance pour véritablement sécuriser la santé des populations. Nous savons que nous sommes euh, très attendus à ce niveau. Nous avons donné les chiffres 1 million. Nous savons qu'à la fin, on va nous dire euh, quel est en tout cas le résultat que nous avons obtenu, l'output. C'est très important et c'est tout à fait juste. Vous avez vu aujourd'hui, il y a 1,5 million. Vous avez vu que Youssou Ndour a enrôlé plus de 2 000, qui envisage aussi d'enrôler dans son autre école à Joal. Le ministre Mansour s'est engagé. D'autres ont déjà fait des engagements, tels que les lutteurs, etc. Mais nous sommes en train de pointer. Comme on ne vient que de débuter, euh, nous n'avons pas encore fait la systématisation de cela. Nous attendons le 15 janvier pour pouvoir faire le point et voir comment restructurer cela. En réalité, euh, CMU et CSU, euh, c'est relativement la même chose. C'est que le Sénégal avait fait l'option de l'appeler CMU. Mais la CSU, c'est à la fois l'offre et la demande. Nous, nous sommes du côté de la demande. Ce que nous cherchons, c'est de stabiliser euh, la demande, en tout cas pour ce qui concerne l'accès l'accessibilité financière aux soins de santé. Maintenant, cette euh, demande, lorsqu'elle est là disponible, lorsque les ressources sont là, on ne peut pas avoir de résultats si on n'a pas véritablement des structures de santé fonctionnelles, si on n'a pas des services de santé efficaces, si on n'a pas la qualité des services. Donc c'est l'autre euh, membre, mutant de la CSU. Donc véritablement c'est un peu ça. Nous savons que le ministère de la Santé et de l'Action sociale est en train de travailler d'arrache-pied là-dessus. Vous avez vu que ces derniers temps, on a beaucoup insisté sur les urgences. Récemment, d'ailleurs, le, ministre en question de, la Santé et de l'Action sociale a euh, rassemblé ses services dans un atelier pour travailler sur la qualité des services, sur les urgences. je crois que cela est important. Nous sommes aussi en train de relever le plateau technique. Nous sommes en train de travailler dans la dispersion véritablement homogène des services pour que le plateau technique soit relevé et existe partout dans toutes les régions, pour que l'accessibilité géographique soit aussi disponible je pense que c'est un tout. Nous pouvons marcher de pair, nous devons marcher de pair. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Véritablement, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Le Sénégal avait fait l'option de le nommer CMU, couverture maladie universelle. Mais nous savons que la CSU, c'est aussi l'offre, la demande, mais également les déterminants de la santé, c'est-à-dire l'environnement. Même aujourd'hui, l'hygiène publique que le président de la République est en train de déployer à travers le ministère en charge de l'urbanisme et de l'hygiène publique contribue à cela. Parce que quand l'environnement n'est pas sain, les gens sont malades. Et naturellement, s'ils sont malades, ça engrange des dépenses de soins qui sont très très élevées. Donc c'est un, une approche systémique qui constitue la CSU. Et d'une façon générale, avec les différents départements, nous sommes en train de travailler là-dessus et nous allons y parvenir, Inch'Allah. Euh, le taux de pénétration au niveau de la région de Patik, je vais juste donner un exemple qui est assez concret parce que je crois que celui-là, il peut inspirer. Quand vous prenez le cas du département de Fundjoun, ils sont à 85% de taux de couverture. Parce qu'ils ont fait une approche qui est véritablement allée au niveau communautaire à la base. Et je crois qu'ils sont en train aussi d'inspirer les autres. Probablement que la région de fatigue, tout compris, on serait autour de 65%. Et alors vous voyez que c'est une région modèle. Hein, dans ce sens que pour l'ensemble du pays, nous sommes à 49-50%. Parce que président

ci taax yi ci gox ak ci gox mu indi lu ñu naan couverture maladie universelle dénk ko aussi koo xam ne loxoom set na muy ci ministre muy ministre Mansour Faye boo xam ne maa ngi koy gërëm di ko sant également directeur général boo xam ne teew na fii ñun nag ñu nekk ay ndawam ñu ne comme ñoo ngi dem fu nekk ci télé yi di wax accès universel aux soins de base dañoo war a jóg takk suñu tubéy takk suñu dal ku nek fu mu jóge ñu dem ba loolu nak fa réalité loolu moo ñu indi fi tay parce que nak neex na ngay wax mais politique aussi dafa wara am jëf té jëf bi sax mo wara a ëpp wax bi loolu lañu président jàngal loolu lañu bëgg tari commencé ko nek fi ci bir Diarra nar ko aussi jëmele ci bir département bi loolu moo tax ñu jël yoo xam ne junni ay ndaw ak juróomi téeméer yoo xam ne ay élèves yii ñoo xam ci lañ bokk mais aussi am na ay imam am na ay catéchiste am na ay pasteur am na ay chef de village am na également présidente groupement féminin yi parce que nag ku wax développement da ci war a jiital jigéen teg ci xale loolu moo tax ñu def di ñu def nii tey

am na loo xam ne def na ko fii ci biir commune bi am na loo xam ne def na ko fii ci biir département bi ñun yëpp kuy wax rek na ngay wax ak modestie parce que yegg nañ fi nekk defuñ ko donc buñ ko defee rek ku ñu war a gërëm du Moïse du keneen président Macky Sall kese moom la ñu war a gërëm parce que moo indi courant bi te incha allahu rabi aussi yoon boo xam ne muy yoon bu nekk Kër Martin war a dem ba waxal jam dina ko def. ci ay fan yu néew wala ci ay weer yu néew wax ko ma dégg ko mu instruit ministre am ma fekke ko donc population de Diarère population de Ngayokhem et de Patar du département de Fatigue, mën nañu wax ne incha allahu rabi on fera le suivi nécessaire pour que engagement boobu xam ne jël na ko instruction boo xam ne def na ko mu mën a am ci mu gën a gaawee ma ne nag ku wax éducation am na loo def nañ ko fi temps passé mooy fête excellence moy jëbal ay xalé yo xamné également sen wajuri yi seen loxo jotul gannaaw ñu jox leen ay sac ñu jox leen ay ordinateur ñu jox leen ay cahier ay livre ay matériel scolaire mané ne bu ñu jógee foofu nag dañu wara duggu également ci problème set muy set setal président am jéego bu am solo bo xamné ko def dénk aussi ministre boo xam ne ndaw la muy sama xarit sama demandey Abdou Karim Fofana mu ci taxaw taxawaay bu rafet ñun ñëpp ñu war ko jàppale. journée de lancement bi ñoo ngi woon Dakar journée bii nag euh, premier samedi pour mois bi di ñëw ñu ne nañ dem ci gox-goxaan yi moo tax ma ne man sama contribution bu njëkk bi rek mooy am na ay brouettes yoo xam ne ñoo ngi fi am na ay pelles yoo xam ne ñoo ngi fi am na ay balais yoo xam ne ñoo ngi fi. am na ay rajo yoo xam ne ñoo ngi fi am na ay masque yoo xam ne ñoo ngi fi boo ko xaymaa mët na parce que am na ñeent fukk lañu fi nekk paire bu nekk ñeent fukk la mais am na paire bu nekk fukk aussi boo xam ne ngi bi kon ma ne leen nag lu ñu bëgg mooy ñu bàyyi ko ci suñu commune responsabiliser ay nit ay conseils municipaux yi nekk ci gox yi ak gox goxaan yi di ñaax xale yi di ñaax jigéen yi di ñaax élèves yi di ñaax également suñu papa yi muy imam yi muy chef du village yi muy catéchiste yi ñoom ñëpp ñu jóg xam ne li muy def noonu kat defu ko pour moom mais da koy def pour ñun te looy def lu baax nag pour nit moom bu buggee boppam moo ci war a njëkk a jóg.